Eh, Bangoura Non, ça va, ah, il est engagé. Eh, Bangoura Eh, eh quitte le petit coup là, c'est toi. Oh. Mon fils, tu pourras supporter. non, il eh. lui, a pas lui, lui, lui, lui, lui, lui, ne peut pas te dire ça, lui, lui, lui, lui, lui, lui, s'est engagé pour la femme. Il n'y a pas de bangala Retire-toi ah, tu peux je vais rester. Retire-toi, il va te tuer Je vais rester. Fanta, je vais envoyer Fanta. Eh. C'est combien Combien 5, 5, 5, Non, non, non, moi j'ai tiré un. Ah. J'ai tiré un. 5. Encore, prépare-toi. Oui. Oh. Ah. Écoute, je ne force personne ouais. elle est là. Si vous regardez, vous trouvez que vous êtes décidé, il faut partir. Mais si vous êtes engagé, tu t'assois. Plus que vous mot engagé. C'est tout. Hé, hey, regarde. Fanta, viens t'asseoir. Nous le faisons là. Hé, hey, vous ma fille. Vous, la voyez Vous la voyez Elle n'est plus Madame Souma, eh, Madame Kamara ni Madame eh, Bangoura. Eh, elle est Madame. laisse le connerie, assis-toi. Assis-toi. Je dis, elle est, elle est madame Chinois. Tu as vu ça Oui. Ah, assis-toi. J'ai Assis-toi. Bon, si, je vais tuer aujourd'hui, mais je traîne les, les trois. Assis-toi. Tu as vu Les trois. Assis-toi. Bon, attendez, eh, c'est pas les caoutchoucs chinois. C'est la Ah, eh, eh, eh, Assis-toi, assis-toi. C'est les caoutchouc américains qui est bon. Hein. Tu veux la femme Oui, je veux. Tu veux la femme hum. Assis-toi. Assis-toi. Les tortues là n'ont pas bon. C'est l'autre tortue qui est dur. Assis-toi. Tu veux ma fille ou mère Oui. Il n'y a pas de discussion. Moi, je veux que les pauvres... Tu discutes une fois, je te refoule. il eh, Il faut, il faut reprocher un peu. Voilà. Viens par là, du Hum. Tu apprends Bon. Hein? Enlevez tes casques là d'abord. Il faut enlever. Eh, eh, il faut enlever. Je ne veux pas la voir. Quittez, quittez, quittez. Tu es engagé Non, tu as poussé là qui va tuer bien. Il, n'a qu'à enlever ça. Non, non, non. Quittez. Il a tiré l'autre comme ça. Tuer. Quittez, complètement. Je te demande si tu es prêt. Ok. Je suis... Mais attendez. Eh Boukis. Diminue oh. un peu. Maman, il faut, maman, il faut fermer vos yeux. Eh. Fermez vos yeux. <laughs> Fermez. Oui, il n'y a pas de fantôme, il faut ah! Ma belle chérie. hey, c'est pas le capuchon, ça, c'est le fer. Il a mis le fer dedans. Eh, euh, combien de fois Tu as mis le fer dedans 5 non, une fois. Il faut 10 même. Une fois. Vous avez encore, prépare-toi. Vous avez doublé les camps. Prépare-toi encore. Eh Allah, les cailloux ont doublé. Je ne retire pas. Prépare-toi, prépare-toi. Papa, papa. Si tu ne me pas, quitte. Papa, votre fille est là. Il n'y a pas de papa ici. Eh. Je dis si votre fille est là. Elle va là ici. Elle va pourrir ici. Tu t'engages Je dis. Ah. <laughs> Elle va pourrir ici. Ça m'a fou. Ça m'a fou. Eh, eh, arrêtez, arrêtez, arrêtez. arrêtez. J'avais deux, deux jeunes passé ici, ils n'ont pas tenu un coup seulement. Toi, le vieux, tu t'es présenté, tu veux que je te coigne le milieu. Et eh, Boukis Donc, trois coups seulement. Et j'ai entendu que tu as dit 20 coups. Si tu résistes sur les trois coups, tu prends Fanta, tu t'en vas. On est d'accord Ok, assis-toi. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de cola, il n'y a pas de millions, je m'en fous. C'est bon. Trois coups, il prend avec Boukis, il n'y a pas de problème. Va pas assis toi. Eh Bangoura, les deux autres n'ont pas tenu. Laisse-le aller, s'il te plaît. Ah, c'est lui qui connaît la femme. C'est pas moi. Eh, tu as vu ça Trois coups. Tu résistes Papa, hey Vous le voyez le gros Ok, tu es tu vas, tu vas mourir ici aujourd'hui. Bien. Oui. Eh. tes pattes là. écarté Non, les pieds. les pieds. Ici. écarté tes pattes là. Il faut les écarter. Tu n'as pas, tu n'as pas vu pour moi ici. Voilà. Ah, ah. Le problème de vente là, la me dire. Ça va dire. Ça dire. Tu es prêt Ok donnez le prix de Kassangé d'abord, avant que... Papa Papa eh, Pas de retard. Donnez le prix de Kassangé. Oui Moi, je vais d'abord... Il n'a qu'à créer le tombeau d'abord, avant de changer. C'est ça Ça ne tient pas, ça ne tient pas, ça ne tient pas Ça ne tient pas Il n'y a pas d'eau. Vas ah. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de La vie là-bas pour lui ici. De Si c'est les trois coups que vous allez réservoir, il dit papa. Il faut même crécher vos tombeaux d'abord. Ah, ah. papa, t'as vous aider. Oui. L'eau. Merci, merci. Merci. Ah, on entre. On entre. Voilà. Ça va, ça descend, ça descend. Ah, Laisse ça maintenant. Laisse ça maintenant. Si vous faites. Il reste deux. Il reste deux. Et un bouquise. T'as vu ça encore L'autre là même, ouais. l'autre je t'ai tombé. T'as vu ça encore Dis non, il ne faut pas être griot ici, quittez. Mais papa, l'autre là, c'est même là sur son pied. Laisse-le. C'est pas au carrefour qu'il a euh, coin. Attends. voilà. Écartez vos pattes. Mon fils, eh, tu te eh, retires eh, pas Je gagnerai cette femme, Inch'Allah. Maman, il faut dire que vos papa. C'est pour, moi. C'est pour moi. Merci. Écarte, écarte un peu. Tu sais Non, ah. É papy. Quitte é ici. Hmm? Papa, je vais assister. Voilà. Ah. Il faut qu'à. C'est parti. Allô. Allô. Eh, Bangoura. Laisse tranquille, ça va. Répétez. Papa, ah. il ne peut pas tenir. Non, non, non. laissez, je m'en fous. Tu ne peux pas tenir. Merci, maman. Laissez. Eh, eh, eh, oh. Ça reste combien ça c'est Il reste combien Merci, maman. Papa, il ne pas, il ne peut pas tenir. Allons. Tu papa, allons. Hé, hé, Il reste combien C'est fini. Non, il reste... Il reste ah il faut partir. C'est trois, j'ai fait deux. Il reste un. Il reste un. Hé hey, papa. Hé hé hé. Tu n'as pas son petit dé. Hé, il a un disent pas comme ça là. Allô yeah. Et Cette fois-ci, si je ne viens pas ici, c'est what Boukis Oui Exécute Oui Papa, lui ne peut pas... Alors, hé hey. ah. Tes enfants sont petits, hé hey. Attends. Tu sais que tes frères sont méchants. Attends. Un, deux, trois. 3 MP. Hé, laissez le problème de mesure là. MP. peu. Et Voilà. Frère. Ah. Papa. Frère. Il est... Attends, hein. Jusqu'à présent, il a engagé. Papa. Papa. Ok, ok. Oublie ça. Maintenant, c'est fini. Il reste un coup. Euh, je vais enlever. bois là. Un coup. Je résiste sur ça. Je te donne Fanta, vous allez partir. Pas de problème. Donc, tu es prêt Réponds-moi. Euh, tu es prêt Oui. Attends, attends. Papa. Attends, attends, attends. Eh, ah, attendez. Allons, ah, Attends, attends, attends. Attends. Attends. Attends. Attends. Attends. Oh. Euh, non. Eh, eh. Merci. Papa, vous, vous pouvez. Papa. Eh. Papa, maintenant. Merci. Bangura, c'est comme ça la cérémonie se passe. Voilà, je, ne peux pas parler, je ne peux pas cracher et reprendre encore. Je dis, celui qui prend trois coups, il a la fille. Il n'y a pas de manifestation. il pas fille n'y a pas de mariage pour chez moi. Et eh, euh, Bangoura Rentre à la maison. C'est moi ADA. C'est moi ADA. C'est bien. J'ai compris que tu ne veux pas rester ici. D'ailleurs, on va chez tes parents. Tout de suite. On va chez tes parents, je vais te déposer là-bas. Non, non, non. Eh, il a rôle. Je ne veux pas. Hmm. Je veux le rembourser. Mais ça va, je ne veux pas que tu cries sur moi. tu crois que moi je ne peux pas rembourser Tu crois que c'est toi seulement qui. Ne crie pas. Voilà, Bougis. Oui. Viens. c'est le grand exécuteur. Viens. Hé, hey, quelle faille tu penses que moi, je n'aurai plus d'enfants Ça, c'est entre ton mari et toi. Hein? Ça, c'est entre ton mari et toi. Qu'est-ce qu'il y a Tu as donné trois coups ici. Donne trois coups ici. Ah, oui. Papa, il c'est quoi Il t'a fait Viens. vieux tu connais ça vieux tu connais ça. Allah Akbar exécution. Eh, qu'est-ce que tu as fait là-bas eh, je vous eh, demande si tu connais ça. Mais voilà, Exécution. Et Attaque. Quoi part, tu vas me faire ça. Vous m'avez pas fait ça. Et quelle part. Vous m'avez pas fait ça. Enlevez vous toi. Enlevez, Eh, tu veux pas marier maintenant Il n'y a pas de bouche.

Il n'a qu'à Il laisse deux Il laisse la Il laisse deux Il laisse deux Eh, vieux. Voilà. la D'accord. PSD. Dieu. Il reste deux coups. Venez. Il reste deux. Il reste deux. Boukis. Boukis. c'est. J'ai reçu Boukis, trois. s'il te plaît. Je ne veux pas la femme. Il reste deux. On donne trois. Oh. Il reste deux. Attends. Il reste deux. Il n'y a pas attendre. Attendez, Boukis. Assis. Oui. Boukis. Hey. Voilà, il est assis. Ah, ah, ah, Viens là. Hey. Viens là. Qui J'ai. Eh, Bagoura. J'ai. Oui, Bagoura. Attends, attends. Je suis dans l'enfer ou bien je suis dans le monde. Yo Bangura, tu as même fait un bouton, Tu veux de ma fille ou non Je ne veux pas, hmm. je veux le rembourser. Mais ça va, je ne veux pas que tu cries sur moi. tu crois que moi je ne peux pas rembourser Remboursement. Tu crois que c'est toi seulement qui Ne crie pas. Voilà, Bougis. Oui. Viens. c'est le grand exécuteur. Viens. Hé, hey, quelle faille Tu penses que moi je n'aurai plus d'enfants Sasa mtoto Maria tu. Sasa mtoto Maria tu. Kiasilia. Kia done through wako hizi, don through wako hizi. Kiasi. He. Ah, woi. Pata ya fe kwa itafe. Ndete memfe, unko ndete memfe abudu. Ndete to ya sumi no be bara, ndete memfe. Bien, tu connais ça. Bien. Tu connais ça? Allahu Akbar. oui. Yougouman. Exécution. Eh, là. Eh, eh, qu'est-ce que tu as fait là-bas Ne me fouille jamais. Hey, je vous demande si tu connais ça. Mais voilà toi, Exécution. Eh, quelle part Attaque. Quoi Quelle part tu vas me faire ça vous m'avez pas fait ça. Et quelle Vous m'avez pas fait ça. Enlevez votre. Ton mari et toi. Enlevez, enlevez, enlevez. Enlevez. Eh, tu veux pas ton mari maintenant

Il a grâce à Il deux coups. Il deux coups. Il deux coups. Eh, Voilà. Eh, Eh, Eh, D'accord. Reste deux. Hein? Dieu. Il reste deux coups. Venez. Il reste deux. Il reste deux. Boukis. Boukis, c'est J'ai reçu trois. trois. S'il te plaît. Je ne veux pas la femme. Il reste deux. On donne trois. Il reste deux. Attends. Il reste deux. Il n'y a pas attendre. Attendez, Boukis. Assis. Oui. Boukis. Hey. Voilà, est assis. Ah, ah, ah, Viens là. Hey. Viens là. Qui J'ai. Eh, Bagoura. J'ai. Oui, Bagoura. Attends, attends.